heures passées de 15 minutes à Niamey. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangu à la présentation Reilat Soumana. Les programmes du Studio Kalangu sont diffusés grâce à un réseau de 31 radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi écoutés à Tanout, Madawa, Dakoro, Doganduchi, Walam, Tera, Ngingimi, kablewa arlit filengue birningawre roserine magaria Soroa, Tamaske, bouza dolbel et le forum de ce soir est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine avec nos confrères journalistes de l'audiovisuel et de la presse écrite. Une actualité marquée par l'interpellation le 27 août de Siraj Issa, Acteur de la société civile, président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger mogène inculpé le mercredi pour outrage à un citoyen chargé d'un service public par le parquet, Siraj Kroupi depuis 72 heures à la prison de Niamey. Au plan santé, des ajustements de certaines prestations au niveau de la maternité Isaka Gazobi de Niamey Annoncé le 24 août euh, dernier par le directeur général du dit centre de référence. Nous allons aussi aborder la question des inondations survenues dans toutes les régions du pays, occasionnant des pertes en vue humaines et animales ainsi que de considérables dégâts matériels, notamment dans la région de Niamey. Enfin, le sport avec la 13e édition du championnat national de handball qui s'est tenu à Niamey du 23 au 26 août dernier à l'Académie des arts martiaux. Nous échangerons sur ces sujets avec nos invités. Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa, journaliste indépendant que nous attendons incessamment. Messieurs, dames, euh, bonsoir. Nous ouvrons le forum de la presse de ce 1er septembre 2017 avec euh, l'interpellation dimanche dernier par la police judiciaire de Niamey de l'acteur de la société civile euh, Siraj Issa. Il est le président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Moujène, selon maître Ahmad Mamman, son avocat. Siraj sera jugé en flagrant délit pour outrage à un citoyen chargé d'un service public. En attendant, Siraj garde prison à Niamey jusqu'à son procès dont la date n'est pas encore été fixée. Rappelons que Siraj Issa a aussi été interpellé le 2 juin dernier suite à la dénonciation d'un jeune homme pris en flagrant délit de distribution de tracts remettant en cause l'opération Meiboulala. Arimi, vous êtes journaliste à Alternative. Quelle lecture faites-vous des propos tenus par Siraj Issa? Euh, je n'ai pas une maîtrise parfaite de ces, de ces propos, euh, mais euh, toujours est-il que ce sujet de la date, portant sur la date de la fête de l'Aïd kabir a vraiment suscité beaucoup de commentaires. Et euh, le fait que nous sommes l'un des rares pays euh, africains, en tout cas surtout, à fêter euh, demain euh, en dit long, si besoin, année, de vraiment cette date, de, cette décision. Bon, l'autre sirage, lui, aurait indexé un individu euh, qu'il a, qui, qui, lui a affirmé, il semble devant témoin, euh, que euh, ils ont été euh, conduits, ont, leur décision a été, euh, comment on dit, imposée ou quelque chose comme ça. En fait, ce n'est pas une maîtrise parfaite, mais si c'est le cas, c'est grave, mais euh, pour quelqu'un qui a été interpellé il y a quelques mois déjà, j'espère qu'il sait euh, qu'il a pris toutes les dispositions pour se protéger lui-même avant de le dire, parce que c'est un sujet extrêmement euh, sensible et personne n'a le droit d'accuser qui que ce soit euh, ou vraiment de jeter le discrédit sur les, sur les gens, surtout d'individu à individu. On suppose que quelqu'un peut se tromper, mais quand la personne dit que c'est avec témoin, bon, la justice euh, à laquelle nous croyons beaucoup va certainement euh, dire euh, les choses si c'est prouvé certainement qu'il sera condamné mais si ce n'est pas le cas mais le fait qu'il soit gardé déjà euh, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Euh, les la défense du concerné aussi, qu'est-ce que cette défense l'a dit. Mais bon, c'est, comme on dit encore, une affaire qui est en justice. Pas beaucoup de commentaires. Euh, seulement, j'espère vraiment pour Siraj qu'il a raison sur toute la ligne. Ceci étant, pour une décision, nous allons fêter demain la plupart des pays, les gens nous appellent pour nous, de, la sous-région, les gens nous appellent pour nous dire euh, bonne fête, alors que bon, nous n'avons pas fêté et que nous fêtons demain. Hier, nous avons jeûné, aujourd'hui, nous ne fêtons pas. Hier, nous nous sommes coiffés, aujourd'hui, nous ne fêtons pas. Je crois que c'est cette décision-là, euh, c'est juste par sagesse n'est-ce pas, sagesse des oulémas qui se sont réunis après cette décision, sagesse des Nigériens qui préfèrent fêter ensemble qui a fait que ça s'est très bien passé. Sinon, ça serait le désordre total. Et dorénavant, j'espère que les gens vont se prémunir de toutes les précautions avant de prendre une telle décision. Merci Arimi Jafar, journaliste au journal L'Indépendant. Quel est votre avis par rapport aux propos de Siraji Oui, je pense que, comme l'a dit Arimi, c'est une question pendante qui est devant la justice. Euh, mais peut-être euh, il y a un aspect de, ce, de, ce, de cette affaire qu'il faut aussi intéresser en tant que journaliste et en tant qu'acteur de la société civile, c'est de se poser la question sur euh, euh, la portée de nos propos et de nos actes à travers les réseaux sociaux et notamment là euh, aussi euh, peut-être par ricochet poser la question de la euh, de la réglementation des réseaux sociaux. Quand est ce que lorsque je dis quelque chose sur ma page, je suis en faute, je suis je la porte publiquement. quand est-ce qu'elle reste dans le domaine des réseaux sociaux et qu'elle relève de mon point de vue peut-être au fond de ma chambre je pense qu'il y a un débat important qu'il faut poser. il y a toujours un détonateur. quelque chose, on peut dire malheur et bon. Peut-être à partir de, ce, de cette affaire de serrage, il faut se poser la question sur l'importance de ce que nous disons sur les réseaux sociaux. En attendant de voir, euh, nous souhaitons que euh, qu'il puisse se tirer de, de cette affaire euh, et de tirer avec lui tous les utilisateurs de réseaux sociaux de tirer les conséquences de ce que nous disons dans, cet espace aussi important, mais parfois qu'on laisse euh, euh, animé par des idées obscures, mais je pense que c'est un outil important pour la démocratie, c'est un outil important pour la liberté d'expression, pour la démocratie. Euh, je pense que euh, il y a tout un débat qu'il faut se poser sur euh, ce que nous disons, nous écrivons sur les réseaux sociaux. Merci Jafar. Depuis quelques années, Siraj a plus ou moins des déboires avec la justice, tout comme d'ailleurs d'autres acteurs de la société civile Arimi. Vous êtes journaliste à Alternative. Qu'est-ce qui peut expliquer ces poursuites récurrentes Écoutez, ça ne, peut ça ne peut certainement pas être extérieur à leur activité euh, de tous les jours, d'acteurs de, la société civile, euh, parce que bon, mais nous l'avons dit dans ce même studio, euh, quand on veut prendre part au débat politique, quand on veut titiller des tenants du pouvoir, particulièrement sous nos cieux, il faut être extrêmement prudent. Il ne faut pas donner euh, l'occasion d'être euh, poursuivi ou d'être pris en flagrant délit de quelque chose. Euh, sinon, c'est des bonnes guerres dans tous les pays du monde. Les acteurs de la société civile, les activistes, comme on dit, de certaines causes, sont bousculés. Euh, même dans des pays où on prend nos exemples sur la démocratie, euh, la moindre des choses, c'est qu'on t'empêche au moins d'avoir des visas, le visa pour y aller et ne pas susciter le débat dans leur, euh, dans leur pays. Donc, il faut vraiment se prémunir. C'est-à-dire, comme on dit en Hausa, on ne peut pas gifler quelqu'un et lui empêcher de pleurer. Chacun utilise ses moyens. Maintenant, est-ce que ces moyens sont euh, légaux, ces moyens sont justes, conventionnels Ça, c'est un autre débat. Mais moi, ce que je dirais à nos collègues de la société civile, c'est extrêmement difficile. Euh, on n'est pas de super-hommes. Nous avons tous des failles dans ce que nous posons comme acte mais faisons en sorte qu'il y ait le moins possible. En ce moment, on donne la possibilité à ceux qui ne seraient pas interpellés, à ceux qui ne sont pas en prison, de soutenir. Parce que quand c'est une affaire en justice et que ça n'a visiblement rien à voir avec euh, les activités de la société civile, on a toujours du mal à défendre. On a du mal à mettre sur le, le, plateau. Donc vraiment pour mettre à l'aise tes propres défenseurs, il faut vraiment être en règle. Euh, ce n'est pas possible, mais ça ne doit pas aussi nous décourager. Le fait qu'on fouine euh, dans nos affaires pour voir en quoi nous pêchons ne doit pas nous empêcher de dire la vérité. Merci Arimi. Donc euh, il y a M. Hussein Issa qui vient de nous rejoindre. Il est journaliste indépendant. Donc, euh, nous parlions de l'interpellation de Siraj Issa. Et par la même occasion, je vous pose la question, que pensez-vous de l'utilisation des réseaux sociaux par des acteurs connus du grand public bon ben, Merci et je m'excuse aussi, parce que je suis arrivé à retard pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je eu une panne en cours de route. J'ai dû faire le chemin à pied. Bon, pour ce qui est de l'usage des réseaux sociaux, moi je considère que d'abord c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On ne peut pas se soustraire de ça et que c'est des moyens qui permettent aujourd'hui aux citoyens de pouvoir communiquer à distance et vraiment dans un temps éclair. Maintenant, au niveau de l'usage, au niveau de l'usage, comment ça se passe c'est que souvent, il y a des insultes et tout et tout. Et moi, je considère que ce n'est pas destiné à ça. C'est destiné à partager des informations entre citoyens, des informations utiles. Maintenant, quand les gens en font un autre usage, ça, c'est un autre problème. Et on a connu ce phénomène, malheureusement, ces dernières années, où, bon, les gens utilisent les réseaux sociaux pour se mettre à insulter. Maintenant, pour ce qui concerne les interpellations au auquel on assiste depuis pratiquement, euh, je ne sais plus exactement, depuis pratiquement 2013-2014. Bon, je trouve ça dommageable dans un État démocratique parce qu'il faut accepter que les gens puissent dire une opinion contraire à l'opinion ou du moins à, ce que ceux-là qui sont aux affaires, ils veulent entendre. C'est ça qui construit une démocratie parce que c'est dans la contradiction que j'ai eu la lumière. Mais malheureusement, on n'est pas dans cette dynamique. Malheureusement, une fois que vous n'abondez pas dans le même sens que ceux-là qui sont dans les, dans les arcanes du pouvoir, vous êtes tout le temps exposé. À tout moment, pour un oui ou un non, on peut vous prendre et puis vous mettre au frais. Et c'est ça qui est dommage et ça donne une, mauvaise image malheureusement du pays. Quand on voit un peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, ailleurs, et qu'on se dit que nous, avec tout ce qu'on a connu comme avancé, et on se met dans la logique aujourd'hui où c'est l'emprisonnement qui devient la règle, la liberté devient l'exception. C'est ça qui est dommage. Et moi, je pense qu'ils doivent se ressaisir pour pouvoir faire en sorte que l'image ne continue pas à être ternie, l'image du pays. Merci Ousseini. Donc, euh, le directeur général de la maternité Isaka Gazobi, Ali Laoli, a apporté un démenti par rapport aux publications qui circulent euh, sur les réseaux sociaux faisant cas d'une augmentation du coût des prestations. Ali Laoli, le directeur général de la dette structure que je vous invite à écouter. Nous avions procédé à une révision tarifaire qui tire ses raisons, dans un premier temps, dans un souci de nous aligner aux autres formations sanitaires du même niveau. Un médecin spécialiste va consulter une femme à 2000 francs. Il peut la consulter à 0 francs. Mais nous sommes dans un système de recouvrement de coûts. Nous sommes dans l'obligation de nous ajuster si on veut que notre structure soit viable. Donc, nous sommes passés de 2000 francs à 5000 francs. Pour une femme qui passe au niveau d'un CSI ou au niveau d'une maternité de quartier, celle-là, elle paye désormais 5000 francs du moment où on ne peut pas empêcher les femmes de venir à la maternité, mais nous sommes obligés de mettre un ticket modérateur qui empêcherait celles qui peuvent être prises en charge ailleurs d'aller là-bas. Il a été dit dans ces publications qu'il n'y a plus de gratuité, mais désormais les femmes sont obligées de payer 150 000 francs. Les femmes nigériennes ont encore la possibilité d'avoir leur césarienne gratuite. C'est un décret qui donne aux femmes nigériennes cette possibilité. Toutefois, il faut souligner que les femmes non nigériennes, elles, payent. Et effectivement, c'est elles qui payent désormais 150 000 francs. Elles étaient assimilées, ces femmes-là, aux femmes nigériennes. Nous nous sommes alignés à l'hôpital national de Niamey, pas plus. Il a aussi été dit que nous avons changé les tarifs des hospitalisations. Mais c'est vrai, les chambres climatisées, les premières catégories étaient à 3500 francs par jour. Non, nous avons ramené ça à 10 000 francs par jour. C'était au rabais qu'on faisait ces tarifs-là. Tout ce qu'on a fait, on a ajusté. Voilà, vous venez là d'écouter le directeur euh, général de la maternité, Isaac Gazobi. Jafar, euh, journaliste euh, du journal euh, L'Indépendant, à votre avis, pourquoi c'est seulement maintenant que les frais sont révisés Oui, <coughs> au fait, moi, en, écoutant le DG de, ce centre qui a toute son importance pour les soins de santé à Niamey, voire même au Niger, je me suis confondu à un responsable hôtelier euh, qui essaie de fixer les prix des chambres en fonction de qu'elles soient climatisées ou pas, euh, alors que nous sommes dans le domaine du service public. C'est vrai, même le service public a un coût, mais lorsqu'on l'entend parler, on, est face à une institution privée qui n'a rien à voir avec l'État et qui n'a rien à voir avec le euh, secteur de la santé. C'est ce qui est peut-être regrettable que peut-être que ça, le dépasse, que c'est la politique sanitaire depuis un certain moment qui est comme ça au Niger, mais c'est peut-être le détonateur puisqu'il en parle et que ça invite les Nigériens à réfléchir sur ce que ça vaut euh, lorsqu'on privatise tout jusqu'à la santé. Et je me demande entre les services douaniers et les services hospitaliers, euh, pratiquement si on n'est pas dans le domaine du commerce on exclut totalement la question des services publics. Et c'est là que ça doit interpeller les Nigériens. Je comprends qu'il y ait des ajustements. Il y a un seul aspect peut-être que j'ai aimé euh, dans ces propos, dans leurs décisions, dans leur euh, réaménagement, c'est la pédagogie de renvoyer les, femmes et les patientes à utiliser les services euh, de proximité qui sont dans les quartiers, c'est-à-dire les CSI. Ça, c'est extrêmement important. Euh, de renvoyer, puisque ces CSI, on ne les utilise pas. On constate que les Nigériens ont, sinon les Niamiens, ont un certain même euh, orgueil ou complexe à utiliser les services de proximité qui sont à côté de les CSI, et qui peuvent être euh, au moment de la consultation. On préfère aller dans un centre qui a toute une valeur, qui a tout, tout un crédit peut-être, et on a l'orgueil de dire qu'on va dans ces centres-là. Mais, mais euh, en dehors de ça, je pense que la question qui se pose, c'est pourquoi ces femmes-là, euh, pourquoi on constate euh, une une, une permanence des visites au niveau de, de ces centres au lieu de, de CSI des quartiers Il faut s'interroger. Il y a peut-être la prise en charge, il y a l'accueil, il y a le, tout le, le, confort nécessaire pour un soin de qualité aussi puisqu'on dit euh, dans ce domaine de santé, l'accueil est en soi-même un début euh, de traitement. Ça veut dire que si on constate que les femmes, les patientes quittent ces centres-là, mais le, ministère de la Santé doit s'interroger sur le fonctionnement de ces centres. Mieux aussi, euh, je pense que le DG de, de ce centre-là nous pose tout un débat sur la politique sanitaire. Moi, je, vraiment, je me suis confondu en entendant la question des prix des hôtels, des chambres climatisées, alors que quelqu'un qui vient souffrant, il n'a aucune notion de, de ce qui est chaud et, et, quand même. C'est regrettable. Armi, journaliste alternative, est-ce que selon vous, les raisons avancées par le directeur général sont valables pour augmenter les coûts non, à mon avis, euh, d'abord, il avait avancé, il a prétexté le, recouvrement des, des coûts, n'est-ce pas Et en même temps, il dit que les femmes euh, nigériennes euh, peuvent être encore, euh, peuvent subir euh, la césarienne gratuitement, que c'est un décret, mais que les étrangères comme si nous ne sommes pas dans le domaine du service public, comme si nous ne sommes pas en matière de santé, parce que les étrangers qui vivent sur le territoire nigérien, ont un certain nombre de droits et parce qu'ils se soumettent au règlement du Niger. Ils payent l'impôt, ils sont soumis à un certain nombre de règlements qui permettent de bénéficier quand même de ces services publics-là. Du simple à de 0 à 150 000 de différence entre les deux et pour recouvrer quel coût, n'est-ce pas Parce que sur 10, femmes qui sont fait, qui se font opérer, j'avoue certainement qu'il n'y a pas une seule étrangère. Donc ça, il, faut, il faut revenir sur cette décision-là. Euh, maintenant, euh, comme Jafar le disait, les femmes choisissent c'est en fonction de l'accueil. Parce que la santé, c'est d'abord psychologique. Oh, vous partez dans un centre, euh, la salubrité est mal entretenue, les lieux sont mal entretenus, où vous allez attendre euh, quelqu'un qui ne va pas venir, ou une femme qui va vous insulter, alors que vous allez à un service qui a euh, une certaine affluence et qui est quand même exposé aux yeux des vérificateurs et tout, et où les gens sont obligés de vous accueillir, et sincèrement, les gens vont vouloir aller là-bas. les centres Isaka Gazobi, la maternité Isaka Gazobi, c'est euh, une maternité de référence. Tant que j'ai ça à côté et que je peux prendre le taxi pour aller, ce n'est pas évident que euh, je me soumette vraiment aux exigences d'une stagiaire. C'est évident. Donc vraiment, euh, ce qu'il dit ne tient pas. Et il y a des hôtels qui sont à 10 000 francs la chambre climatisée. N'est-ce pas on ne peut pas être dans un centre et payer plus que dans un hôtel. Sincèrement, euh, ça, perd tout son sens. Euh, j'espère qu'ils doivent, euh, je pense tout simplement qu'ils doivent revenir sur ces décisions. Quand le président Taja l'avait instauré, je sais que ce n'est pas pour plaire justement aux personnes qui vont euh, prendre cet argent-là, euh, ceux qui vont contrôler cet argent-là, mais c'est pour vraiment tout le peuple nigérien. Et des modalités existent encore de pouvoir euh, recouvrer ce, ce, ce, ces coûts-là autrement. 5 francs, c'est déjà beaucoup pour beaucoup de familles nigériennes. Pour se faire consulter, il ne faut pas oublier. Hein. Et dans le privé aussi, on se fait consulter à 5 000 francs. Gazobi, vraiment, c'est plus que ça, euh, je pense qu'ils doivent revenir tout simplement sur cette décision-là. Merci Arimi. Ousseini, selon vous, est-il normal de faire une distinction s'agissant des soins de santé Moi, j'ai toujours considéré, hein, quand Tangel avait institué cette euh, politique de gratuité-là, ça a commencé au départ, ça a commencé avec euh, l'appui d'un certain nombre de partenaires que la gratuité a été lancée, mais au fur et à mesure qu'on avançait, pratiquement, ça a été abandonné dans les centres de santé, y compris tout ce qu'ils racontent là. Y compris ce qu'ils racontent, gratuité, césarienne, tout ça. Quand une femme est admise dans ces centres-là, d'abord, l'argent qu'il faut demander avant même l'intervention et tout il faut tout acheter. Il n'y a pas de gratuité à partir du moment où les gants, tout, on dit qu'il faut acheter. Les, compresses, tout. Où est la gratuité Dans le cas d'espèce, où est la gratuité on est en train de privatiser la santé de la même manière que l'école a été privatisée aujourd'hui. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je suis un peu déçu d'entendre un DG d'un centre de référence comme ça, sortir dire que non, il faut s'aligner aux autres centres, formations santé. Mais la paysanne qui vient du village, dans complication. Peut-être qu'on l'a transporté, il, faut, il fallait même aller voir des parents pour pouvoir mobiliser un peu de ressources, transporter la personne. Tant que la personne ne paye pas, ça veut dire en difficulté, la personne va mourir. C'est ça que ça signifie. Et c'est ça qui est dommage. Où on fait Parce qu'on a connu la gratuité à l'époque avant que ces gens-là viennent. On a connu sous Yuri, sous Kunti, on a connu la gratuité. C'était à ce moment qu'il y avait la gratuité. Aujourd'hui qu'on ne parle plus de gratuité, c'est devenu un hôtel. C'est tout la santé, c'est quand même quelque chose de très important. Aujourd'hui, vous transportez votre malade si vous n'avez pas un peu de ressources, même les premiers soins. Alors qu'on doit prodiguer les premiers soins, maintenant, quand la personne va recouvrer sa santé, on peut dire, bon, elle ne peut pas quitter sans que la facture ne soit réglée. Mais aujourd'hui, on ne touche même pas. Mais où, est la gratuité dans cette affaire-là Merci Ousseini. Parlons à présent des inondations. Ces derniers jours, des pluies diluviennes se sont abattues sur les régions du Niger, occasionnant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables, notamment dans la région de Niamey. Selon le directeur général de la protection civile, colonel Bako Boubacar, 44 personnes et environ 4500 têtes de bétail ont été tuées plus de 8000 maisons et cases effondrées, faisant 9513 sinistrés. Le directeur général de la protection civile nous donne quelques raisons probables de ces inondations. Les inondations de cette année et de l'année dernière confirment les prévisions saisonnières que nous avons reçues depuis le mois de mai. donc les pluies ont été vraiment fortes il y a aussi eh, notre hydrographie lorsque certains habitats euh, sont construits en zone inondable. L'un des quartiers qu'on appelle Bobiel pour certains ou quartier Qatar, enfin c'est le quartier si vous voulez qui est dans la zone de la grande route qui relie la francophonie à la Nigélec euh, qui sont complètement inondés parce qu'elles sont sur le lit du bras mort de Guntiena. Donc euh, dans le bras mort de Guntiena dont on parle, lorsqu'il n'y avait pas l'habitat, il y avait plus facilement d'inondation. Maintenant qu'il y a un habitat qui est là, l'eau est transférée donc il y a une moindre surface dédiée à l'infiltration qui doit recevoir cette eau-là. L'autre facteur aussi, c'est que les zones d'écoulement ont été déviées par l'implantation d'infrastructures, que ce soit de l'habitat ou autre. Vous venez là d'écouter le colonel Bako, directeur général de la protection civile. Jafar, journaliste au journal Indépendant, êtes-vous d'avis avec les raisons avancées par le euh, colonel Bako concernant les raisons des inondations ici à Niamey oui, je suis parfaitement d'accord avec son intervention qui est d'ailleurs euh, une intervention d'un technicien. Euh, euh, mais il, me donne la possibilité de tirer la conclusion et de revoir la faute des hommes. Il n'y a pas que le changement climatique qui en est la conséquence, mais il faut, il faut noter, quand il parle de d'un de, certain nombre de quartiers comme euh, Bobiel et Qatar qui sont construits sur les, par exemple, Bobiel qui est construit sur le lieu de Guntiena. Mais lorsque ce, quartier-là a été euh, loti, et on est passé à, la construction des habitats où étaient les responsables chargés de, de faciliter ce travail-là. Euh, on revient toujours à la même question. C'est-à-dire, on, voit plus les inondations qui, s'il n'y a pas eu les fautes humaines, euh, on peut avoir plus de pluie et que l'eau puisse passer tranquillement sans que ça ne dérange personne. Peut-être que ça peut même être plus bénéfique puisque cette eau-là peut être utilisée par les, les, populations pour faire autant de choses et améliorer leurs conditions de vie. Mais malheureusement, qu'on a un comportement où on laisse les gens faire on a un ministère de l'Habitat. Il y a tout un tintamarre depuis l'avènement de la démocratie autour de, la gestion des municipalités. Aujourd'hui que les municipalités ont la possibilité d'engendrer dessous par un certain nombre de gymnastiques juridiques, puisqu'on a créé des conditions pour que les mairies puissent avoir euh, un certain nombre de pourcentages de, de, la fiscalité recouvrée dans la dite localité. On parlait, il y a une loi, je pense, pendant la 7 République qui a été votée où certaines, euh, certaines euh, régions ont la possibilité d'avoir jusqu'à 12% de, de, recettes fiscales recouvrées. Ce qui a fait porter Niamey à un budget assez important et qui, euh, apparemment, semble le nez de tout ce qu'on voit comme changement des, responsables. Il faut que quelqu'un arrive qui puisse mettre la main sur ça. il faut que celui-là qui n'est pas de notre euh, ne mette pas la main sur, ce, sur ces montants-là, puisqu'il y a tous les enjeux autour. Mais voilà qu'on laisse de côté des questions extrêmement cruciales. Puisque j'ai comme l'impression, dans les discours des uns et des autres, surtout des pouvoirs publics, on a tendance à incriminer ceux qui sont allés s'installer. Mais qui les a autorisés à s'installer nous ne sommes pas dans une anarchie. Nous sommes dans une capitale où, pour le cas de Niamey, il y a eu d'abord ceux qui ont eu à faire le lotissement. Ils ont eu le bénéfice des autorités pour aller faire, puisqu'il y a toute une réglementation pour avoir, pour être euh, dans, les conditions d'acquérir un terrain, de le viabiliser et de le vendre sous forme de parcelle. Euh, il y, a, la mairie, il y a le ministère de l'Habitat et tout, avant même de venir à la construction. Et il y a des infrastructures qui ont été créées un peu partout dans nos villes où on n'a pas assez pris euh, de précautions pour faciliter le passage de l'eau en cette période-là. On l'a vu un peu partout, il y a des infrastructures qui ont été faites euh, à Niamey, qui sont salitaires, mais qui n'ont pas été encadrées euh, véritablement de, de, de, ces outils qui puissent faciliter la, la, justement le drainage de l'eau. Quand on parle de Guntiena, je pense que il y a la possibilité même de porter plainte contre X, qui a permis, par exemple, euh, le lotissement de, des beaux jusqu'à ce qu'il prend forme en tant que quartier. Peut-être ceux qui ont autorisé ça ont mis la vie de ces gens-là en, danger. Et c'est des questions qu'il faut poser pour situer les responsabilités pour que dorénavant, qu'il n'y ait pas ce genre de, de, euh, de, de drame et qu'on alloue à la nature, à la nature <laughs> euh, peut-être au changement climatique. Mais à la faute humaine là-dessus, il faut, il faut la euh, la responsabilité. Merci Jafar Arimi, journaliste alternative. Si à Nyami, on fait cas du Guntiena et dans les autres régions, comment expliquer les inondations ben, C'est la bonne question à mon avis. Euh, vous savez, la nature, elle est, quoi qu'on dise, elle est, elle est plus puissante que les prévisions humaines les États-Unis traversent des problèmes peut-être pires que euh, les nôtres actuellement. Mais euh, ça ne veut pas dire que le rôle de l'homme, c'est aussi de dompter la nature. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe euh, chez nous On vend des espaces aux gens, ce n'est pas des parcelles qu'on vend aux gens. Euh, parce qu'on ne prend aucune disposition, par exemple, pour l'évacuation des eaux. Euh, il n'y a pas que l'eau de pluie. En fait, il y a des quartiers où même l'eau usée euh, ne coule pas. C'est-à-dire, tu as l'impression, en plein mois de mai, que tu es pendant le mois d'hivernage dans certains quartiers, tellement les rues sont sales. Autrement dit, on prend leur argent aux gens et on les laisse construire n'importe comment si on dit dans un espace, euh, dans, une ville comme Niamey, qu'on ne peut pas construire euh, là où Bobiel est construit aujourd'hui, mais où est-ce que les, gens vont construire Il faut construire et créer les conditions que les gens ne soient pas, sauf cas d'extrême, euh, vraiment pluie, des trucs comme ça, que les gens ne soient pas inondés. Mais ce n'est pas le cas. Ce matin, un ami de Niamey 2000 me dit si on ne fait rien, bientôt, ou on va rester à la maison, ou on ne pourra pas accéder à nos maisons. OK Donc, rien n'a été prévu. On vend, on fait de la spéculation. Un simple terrain, on peut vendre ça à 4, 6, 7, 8, 10 millions, n'est-ce pas Alors qu'il n'y a même pas un simple caniveau autour. L'eau, l'électricité, aujourd'hui, n'en parlons pas. Les gens se sont carrément rabattus sur le Le solaire. Donc, c'est vraiment le manque de, de, prévision de, nos États. Malheureusement, il faut appeler le chat euh, le chat. Et Niamey, aujourd'hui, beaucoup d'infrastructures sont en train euh, d'être réalisées, mais en même temps, Niamey n'a jamais connu des cas de stagnation d'eau ou des, endroits où ça n'existait pas. Regardez le, la déventure, euh, la, la, route de Zabankan moi, ça fait 20 ans que je suis cette, cette route. Ces deux, trois dernières années que l'eau commence à stagner comme ça. Il y a une route qui est même morte de l'autre côté, à côté de la station, à cause de l'eau. Donc, est-ce qu'on ne se trompe pas de priorité en matière de politique de nos villes Merci. C'est Arimi, donc euh, selon vous, que faudrait-il faire euh, désormais pour que ces genres de situation ne se reproduisent plus Bon, moi je vais juste compléter Jafarou et puis Arimi, parce que ce qu'ils ont dit, je crois que ça résume pratiquement tout. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces dernières décennies C'est que la, la ville était en train de s'étendre, mais malheureusement, les infrastructures n'ont pas suivi on, on, on, viabilise, l'État prend sa part, on ne fait pas de caniveau, on ne fait pas de route, parce que tous les nouveaux quartiers, là, quand vous rentrez dedans, pratiquement, il n'y a pas de route, il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien. Les premiers caniveaux, ou du moins c'est les caniveaux qui sont en centre-ville, c'est les caniveaux qui sont bouchés. Et il n'y a aucun effort, il n'y a aucun travail qui est fait pour pouvoir les dégager avant qu'il l'hivernal ne s'installe. Et ça a fait que, de plus en plus, les, eaux de ruissellement, ou du moins ce qui quittent les quarries, quand ils descendent pour traverser, aller vers le fleuve, il n'y a pas de passage. À partir du moment où il n'y a pas de passage, ils vont stagner dans les quartiers. Et ça fait que pratiquement, il n'y a pas un seul quartier aujourd'hui où vous allez trouver une bonne route. Il n'y en a pas. Quand il pleut, ce n'est pas possible. Arimi vient de dire, je connais bien la voie des abarcans là. Mais c'est une voie à l'époque, quand il pleut tout à l'heure, dans les 10 minutes qui suivent, vous pouvez l'emprunter. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas trouvé une flaque d'eau. Maintenant, même les caniveaux, tout ça, tout est bouché. On n'a pas fait des, ouvrages pour pouvoir accompagner l'extension de la ville. Et on se retrouve dans une situation où on veut accuser. Mais chacun veut trouver euh, euh, un machin, un, un, un, toit quiconque a les moyens. Mais quand on achète, parce que les gens, c'est pas avec les paysans et les, propriétaires terriens qu'ils achètent. Parce que c'est l'État d'abord qui viabilise. C'est à ce moment on donne aux propriétaires terriens, on leur donne leur part, ceux qui détenaient les champs. Eux aussi, ils vendent. Mais quel est l'accompagnement que l'État a pu faire pour viabiliser le quartier Absolument rien du tout. Et c'est naturellement quand la saison de pluie en fonction des saisons, quand c'est une saison pluvieuse qui, qui, qui, abondante, ça devient compliqué. On est dans cette situation, il ne faut pas critiquer simplement les gens. Les gens sont allés s'installer, mais on les a vus s'installer, nous, comme l'a dit <laughs> Merci Ousaini. Donc euh, nous allons passer au sport euh, avec euh, la 13e édition du championnat national de handball qui s'est déroulée du 23 au 26 août dernier à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Cette rencontre a réuni plus de 300 participants. Ce sont les équipes de Niamey qui sont sorties victorieuses avec en l'équipe de la garde nationale et du côté des messieurs la s Police. Arimi, journaliste euh, alternative, euh, qu'est-ce qui explique euh, la meilleure performance de ces deux équipes par rapport aux autres ben, C'est comme dans toutes les disciplines sportives au Niger. Hein. C'est d'abord Niamey et puis après les autres. C'est extrêmement rare une discipline sportive où aujourd'hui le champion n'est pas de Niamey, le club champion. Et ça, c'est aussi simple que ça. D'abord, le nombre de pratiquants à Niamey, euh, les infrastructures, mais aussi les moyens d'accompagnement. Euh, Voyez-vous, les forces de défense et de sécurité, aujourd'hui, ils jouent un rôle important dans la conduite de notre sport, ce qui n'est pas mauvais, mais ils créent tous leur euh, clubs club Niamey. Euh, c'est l'ASFAN, c'est l'AS Garde nationale, c'est l'USGN, c'est l'AS Police, et ils sont pratiquement dans toutes les disciplines. Eux étant des corps, corps euh, organisés, n'est-ce pas, et par vocation euh, sportive, n'est-ce pas, arrivent à mettre facilement des clubs et euh, donc ils arrivent d'abord à damer le pion au club civil mais aussi donc aux clubs qui viennent de l'intérieur du pays. Mais aussi, comme me disait un jour euh, un spécialiste, euh, à fois euh, tu peux être talentueux, mais tu as euh, peut-être 45 minutes d'entraînement par jour, tu quittes les cours, tu viens, tu t'entraînes 45 minutes, tu t'échauffes 15 minutes, tu joues 30 minutes, tu rentres chez toi. À Niamey, les clubs sont organisés, la possibilité de s'entraîner deux fois par jour pour certains clubs. donc, même avec le même talent en sport, c'est d'abord la préparation physique euh, qui l'emporte, mais aussi le tissu économique. Aujourd'hui, dans la plupart des régions euh, de notre pays, il n'y a pas d'accompagnement euh, pour les sportifs, sauf à Niamey ou des structures se distinguent. Euh, euh, le les clubs, l'AS Garde nationale et, l'AS Police ont remporté le titre, mais ils sont toujours secondés par l'ABAN. Et l'ABAN, c'est, on connaît c'est quoi, euh, ils se sont intéressés au handball. Le club qu'ils soutiennent euh, l'emporte si c'est au volet, on parlera certainement de RIMBO. Donc ainsi de suite. À l'intérieur, eux aussi, ils n'interviennent pas. Moi, je pense que c'est une politique que, euh, si on prend l'exemple du football, il y a eu ça au Burkina, où une année, ils se sont arrêtés, et au Sénégal aussi, pour réaffecter le club. Où vous allez jouer pour telle localité, n'est-ce pas, pour telle région, où vous vous retirez du championnat. Parce qu'il faut savoir susciter l'engouement en matière sportive. Bon, c'est ce qu'il n'y a pas. J'espère que euh, ceux qui sont chargés de le faire voient les choses arriver. Au football, euh, l'année dernière, il y a eu 10 clubs sur 14 qui sont de Niamey. Euh, le championnat n'est plus national. Donc c'est cela, il faut avoir une politique nationale de sport si on veut résoudre ce problème. Sinon, on fera un sport à double vitesse où l'élite se trouve qu'à Niamey et les gens vont continuer à se plaindre que en équipe nationale il n'y a que des joueurs de Niamey alors que la performance est à Niamey. Voilà en fait. Merci Arémi. Donc euh, Jafar, euh, est-ce que vous attendez euh, cette victoire de Niamey? Oui, euh, je pense qu'on peut pas aller, on peut pas aller euh, au-delà de, de ce que Armi a présenté en spécialiste de sport que tu n'as pas dit aussi. <laughs> Euh, je pense que c'est un constat d'ordre général. je me rappelle bien quand vous regardez dans les années 80 les, les champions, les équipes champions nationales des différentes compétitions sont de l'intérieur du pays ça veut dire qu'il y a eu un accompagnement par le passé et qu'on a laissé tomber. Je pense que euh, je suis d'avis avec lui sur sa conclusion. Il faut qu'on revisite euh, la politique de sport au Niger pour qu'il y ait une sorte d'équilibre. Puisque, au fait, c'est pas mal que Niamey est l'essentiel le, des de, de clubs euh, victorieux, mais c'est pour créer la diversité. Et lorsqu'il y a la diversité, euh, vous pouvez mettre en place une équipe, euh, des équipes nationales qui puissent aller euh, dans les grandes compétitions et revenir avec des trophées. Merci. Donc, Ousseini, comparativement aux autres disciplines sportives au Niger, comment classeriez-vous le handball oh, bon, C'est un sport que j'ai connu pour l'avoir pratiqué un temps. Bon, ben, je considère que. Une minute ce qu'ils viennent de dire. Le problème, c'est le problème du sponsoring. Tout se trouve à Niamey. À l'intérieur du pays, il n'y a plus aucun, il n'y a pas de société pour accompagner, il À partir du moment où il n'y a pas d'accompagnement, les gens, ils le font par plaisir. Ceux qui vont aller jouer, qui vont aller s'entraîner, ils vont s'entraîner, mais il n'y a aucun accompagnement, il n'y a aucun soutien moral, il n'y a aucun soutien psychologique. Ils jouent parce qu'il faut jouer. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont talentueux mais ils vont rester dans leur cadre là, ils ne vont pas évoluer. Malheureusement, c'est ça. Il faut trouver un mécanisme. Et malheureusement, le mécanisme, c'est d'abord l'État qui doit réfléchir à ça. Ce n'est pas les sociétés, c'est à l'État de créer les conditions pour que les sociétés puissent accompagner, y compris les clubs de l'intérieur du pays. Tant que ce n'est pas fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Jaffa vient de le dire, dans les années 80, il y avait des clubs talentueux à Zender. Merci, merci donc, euh, nous sommes au terme euh, de ce forum euh, de la presse. Nous étions avec nos confrères Ousseini Issa, journaliste indépendant, Jafar Mamman, directeur de publication du journal L'Indépendant, et Arimi Abakari, journaliste à Alternative. Retrouvez le forum du studio Kalangu à partir de lundi 18h15 pour une autre thématique. Au revoir.